surtout, avant de démarrer cette conférence de presse, présenter les condoléances du parti et de la coalition du président au peuple sénégalais, à la famille des artistes et à la famille de Walisek après le décès de Madame Fatou Diouf Diaga, veuve de Tchonsek, grand artiste. Je vais aussi présenter mes félicitations. Après cette notrice, une note de joie. La vie est faite, malheur et bonheur. Rythme la vie humaine. Nous devons féliciter donc nos lions, nos braves lions qui ont pour le moment fait un parcours irréprochable, sans faute. Nous devons surtout prier pour que la Coupe revienne ici au Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci étant dit, je vais remercier toute la coalition, tous ceux qui nous ont soutenus, remercier les militants sympathisants, mais réserver quelques mentions spéciales à Damso qui est là, le lion du Ndoukouman qui à lui seul nous a donné plus de 55 000 parrainages. Donc lui seul aurait réglé la question du parrainage. Entre Mbege Nibi, Kafrine, Lamba et Touba, il nous a vraiment surpris et impressionné. Nous devons remercier Hassan FAD de Dakar aussi, qui nous a permis de déposer plus de 15 000 parrains, mais il en avait plus de 30 000. On a choisi la moitié qu'on a déposée. Nous avons le jeune Babacar Diop qui nous a mis plus de. C'est à Dakar 2000. Nous avons des militants très engagés. Nous avons la Lyon de Mour Nous avons Kaulak Cheou, le président Cheou, qui est le petit de Bagnas, qui nous a réuni plus de 4000 parrainages. Nous avons surtout, surtout le tout couleur, notre esclave Moussassi, qui a donné plus que les serrés du signe il nous a remis plus de 11 000 parrainages venant de Matam, de Wurusogi, de Canel, donc du Fouta, pour montrer notre représentativité. Nous ne pouvons pas ne pas remercier Hassan manque de Nyoro. Nous ne pouvons pas oublier le travail remarquable joué par Mme Fatfal qui m'appelle de Louga, <laughs> notre responsable de Adamasi aussi de Kafrin, de c'est de Kungel, de Bakri Conté de Kolda, de Amadou Keïta de Kedougou, de Madame Diop de Ziguinchor, de Fatou Sanguini de Ziguinchor, nos amis de Bunkiling. Nous avons eu à plus de 10 000, nous avons sélectionné 6 000, nous avons déposé 5 900 pour Sédu. Nous allons vous lire ce que nous avons déposé comme parrainage avant d'être éliminés par l'injustice et, j'allais dire, l'idiotie de notre système électoral. Personne ne nous a recalé, Personne ne peut nous éliminer. Je vais m'expliquer devant les Sénégalais que je remercie vivement. Nous avons le secrétaire adjoint le coordinateur Elijah Malo qui là, qui a été le responsable national du parrainage, il faut qu'on le remercie, parce qu'il a aussi fait un travail titanesque avec son équipe. En tant que je l'ai remercié pour Dakar, mais il était sur le terrain avec les jeunes pour rassembler les parrainages, pour donner les fiches aux informaticiens qui devaient s'occuper de la clé à déposer au Conseil constitutionnel. Donc, le travail qui nous a été demandé a été fait. Et je m'en explique. Il faudrait qu'on soit plus intelligent dans ce pays, parce que quelque part, on nous prend pour des demeurés, et nous acceptons d'être des fous, pour ne pas dire des idiots, tout simplement. Je m'explique. Je crois que j'ai parlé du colonel Yan, notre grand frère qui nous a tous accompagnés dans les moments les plus difficiles. Un colonel de l'armée, mais qui, comme vous le savez, l'armée c'est la gendarmerie, c'est la même chose. C'est le colonel de l'armée, donc c'est les, forces armées. Donc, le colonel de gendarmerie, c'est un colonel quand même de l'armée, qui est là, qui nous a tous accompagnés, qui a donc choisi, après une brillante carrière militaire, de faire la politique, donc d'aider son pays hein, à aller vers le développement et vers la démocratie donc de remercions très sincèrement. Nous ne manquerons pas vraiment de lui donner la parole. Alors je disais que nous avons organisé l'élection la plus ridicule de l'histoire de l'humanité. Le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité depuis que le monde existe. Je m'explique. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, je fais partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule. Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection loterie Ça n'existe nulle part, une élection loterie nationale une élection loterie. Une élection loterie. Et tout le monde se Personne n'a parle. Qu'est-ce que c'est qu'une élection loterie On demande prévenir injustice. Parce que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste, opportuniste, trente, excusez-moi, treize députés pour participer à l'élection présidentielle. 120 présidents de conseil départemental ou de maire. C'est donc l'option pour les députés ou l'option pour les élus locaux. La troisième option, c'est le parrainage citoyen. J'ai bien dit 13 députés, non J'ai dit 13 députés. J'ai dit 30, je me suis trompé, non 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublon. Vous avez entendu parler de doublon avec les 13 députés Non. Les 120 élus locaux, vous avez entendu parler de doublon pour Amadouba qui a choisi cette option non, mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrains, on nous parle de doublons. Déjà, il faut chercher. ñeent fukki nien ñeent à ak ñeenti ak je ne parle pas de ñeenti junne ñeent fukki ni dans 44 000 personnes. Vous devez les chercher. Celui qui cherche 13 députés, il n'a pas de problème. Mais il n'a pas osé prendre le doublon. Celui qui cherche 120 élus locaux, il n'a pas de problème. Parce qu'il a des maires en pagaille au niveau de Bernard Bokoyakar. Il n'y a pas de doublon possible. Mais au niveau des présidents citoyens, on fait le tour du pays, on ne maîtrise pas les citoyens qui parrainent, qui peuvent parrainer Mademba, euh, demain Massamba. Mademba vient, il obtient ses parrainages, il s'en va, il est heureux, comme Elas Diouf. Manoumbe vient, on lui fait les mêmes parrainages, il pense qu'il a déjà ce nombre de parrainages, il dépose. Donc chacun des deux a obtenu ce qu'on lui a demandé. Je veux que les gens m'écoutent. On ne devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement à la loi. Il y a trois options. 13 députés, 120 élus locaux, 44 300 citoyens. Pourquoi on nous amène les histoires de doublons qui ne concerne que la troisième catégorie. Et c'est la catégorie la plus difficile, l'option la plus difficile. Et on nous exige sept régions. Moi, j'ai sécurisé huit régions. On va donner les éléments. Vous n'avez jamais entendu parler de régions où Eladio n'a pas pu avoir 2000 au mai, Dakar, on avait déposé 15 000 au lieu de 2 000. Dakar, nous avons déposé 15 000 et poussières. Djurbel Touba, nous avons déposé plus de 8 000. Sédu, plus de 5 900, près de 6 000. Matam, de 6 000, 5 900 poussières. près de 5 000, 4 900 poussières est 3500 et poussières. Fatigue 3300 et poussières. 3000 louis 3300, etc. On a sécurisé plus de 8 régions qui dépassent de loin les 2000 par région. C'est déjà difficile. C'est ça qu'on nous demandait, cette région minimum. À raison de 2000 par région, on a dépassé les 8 régions avec 15 000, 8 000, 5 000, 6 000, etc. on dépose 55 570, premier tour. 55 570 au lieu de 44 000. Nous avons eu une marge de 11 100 et poussière. Qui ose dire qu'il nous manquait donc des parrainages C'est pourquoi je que qui dit il ment. J'ai lu je regardé sur la télé, on a elle a dû recaler pour insuffisance de parrainage. Il n'y a fait. Mais il a, il a manqué un prénage. Insuffisance, si vous n'avez pas obtenu les prénages, mais qu'il y a maintenant un tirage au sort. C'est ce que j'appelle élection loterie nationale. Celui qui vous devance, il a les mêmes parrains. On vous élimine sur la base des parrains que vous avez eus ensemble, sans même que vous le sachiez. Vous avez cherché, l'autre a cherché. Il a obtenu, vous avez obtenu. Celui qui passe en premier, il passe. Celui qui vient après, a arrêté. Vous avez des doublons, hein. Celui qui vient de passer là, et vous, vous avez les mêmes parrains à Durbel à Bambay, à aller rechercher d'autres parrainages. Vous croyez que ça, c'est juste On ne sanctionne pas la personne qui fait, qui parraine deux candidats, comme prévu par la loi. La loi prévoit des sanctions pour ceux qui parrainent deux candidats. Ou trois. En tout cas, plus d'un. Au lieu de sanctionner, de punir, comme le prévoit la loi, ceux-là qui osent parrainer plusieurs candidats, on sanctionne les candidats sur la base de la loterie nationale, donc du tirage au sort. Et tout le peuple dit Oui, ils sont recalés. Qui est recalé Ceux qui donnent ce qu'on leur a demandé. waaye il y la laaj wax y a ils sa la Sénégal moi j'ai fait le tour du Sénégal c'est pourquoi je voulais montrer les images parce que, c'est trop facile de dire oui, tel est un grand candidat, il n'y a pas de grand candidat, je suis le meilleur, je les aurais écrasés. Je les aurais surpris comme Macky avait surpris les Moustapha et les Ousmane Mille Billahi. Deux mois durant, ma famille ne m'a pas vu. J'étais à l'intérieur du pays. À Mbeke, avec lui. À Lambaye, avec lui. À Nibu avec lui. J'étais ensuite à Kungel, après Kavrin, j'étais à Kavrin, j'étais à à à Kunda, Tambakunda, je suis revenu à Tamba pour passer la nuit le lendemain départ pour Kolda Vélingara Diaobé Mapatim Kolda on dort à Kolda le lendemain départ pour nyoro du passeport, passe par Maladie etc meeting à Nyoro on va dormir à Kaolang. On repart un comme ça à Touba Durvel, à Fatih, à Mbele à Diobetale, à Diofior à Noufalbouré à Fais attention on a bien travaillé Pendant ce temps-là, où étaient les autres candidats Je ne les ai pas rencontrés. Billahi, Wallahi, Talahi, je n'ai rencontré aucun autre candidat sur le terrain. Ni à Fasman Baba Malem Oda, ni à Djanke Kaou ou Souf, ni à Malem Oda, ni à ni à Kaoulak, ni à Medina Bay, ni à euh, Sarah Nimzat. on a fait le tour du Sénégal. Touba, on est allé trois fois à Touba. On interdisait les activités politiques, il n'y avait pas de meeting, mais on entrait dans les maisons. Touba seul nous avons plus de 55 000 par je vous ai dit ça. Ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui, c'est que le président du Sénégal qui sera élu sera mal élu. Il, a été, il sera élu c'est la base de l'élection loterie nationale Quand vous de peut-être que les am chance qui qui au sort le premier ou le deuxième Voilà, l'élection l'option euh, des députés l'élection en passant par l'option des députés ou des élus locaux parce que il aura obtenu 13, députés ou 120 élus locaux. <laughs> Mais entre nous, vous savez, fille, lorsque Macky Sall battait les Moustapha les Idriss les Tanoldiens, ça a été une grosse surprise. Parce qu'il était, sur le terrain au moment de Moustapha soit à l'Ortien, Idriss sec le jeune Macky chassé de l'Assemblée nationale par Ablaï est allé sur le terrain, fait le tour du pays, obtenir, obtenir une majorité pour les battre après. C'est ce que j'ai fait exactement. Parce que personne n'avait vu venir Macky Mais personne n'avait vu venir même Elagi. Donc la popularité dépasse quand même Dakar et les frontières du pays. Et l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. C'est pourquoi j'ai voulu montrer des images. Parce que l'image, elle est plus éloquente que la parole pour convaincre. Les foules qui me suivaient partout, des milliers et des milliers de personnes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui m'ont suivi pendant des années. C'est pourquoi le portrait là, je l'ai aimé de l'aider Mendao. Parce que c'est. Voilà. Vous pouvez, tourner et remonter quelques images. Aucun autre candidat n'a pu obtenir des mobilisations pareilles sur le terrain sans le concours des Ndiagayaï, des caps, des t etc. Aucun autre candidat. Il y a des candidats qui faisaient de la pub, qui se disaient gazés par les forces de l'ordre pour faire un peu de com. Mais je sais qu'il n'avait personne dans ces contrées. Ils venaient occuper la voie publique, à attroupement non autorisé, avec une vingtaine de véhicules et un camion de sonorisation pour perturber la tranquillité de la localité. Les ambulances ne passent pas, les voyageurs sont bloqués, ils sont sur la route avec leurs vingtaines de véhicules, leurs camions de nom, et ils perturbent les villageois. La gendarmerie leur demande de dégager. il refuse les lacs le pour que la route soit libérée. Et demain, le lendemain, dans la presse, oui, tel candidat a été gazé. Mais moi, vous n'avez jamais entendu parler de Eladjouf et le gaz. Parce que je suis juriste, je connais la loi, le droit. Quand je vais quelque part dans une ville ou une localité. Je pars avec une seule voiture. Je pouvais amener une dizaine, une centaine de véhicules. Non, je n'étais pas en campagne électorale, mais en campagne de parrainage. La loi ne me permet pas d'occuper, la loi ne me permet pas d'occuper la voie publique. Je pars avec mon chauffeur sans garde-corps seul, parce que ça la rencontre entre le peuple et moi seul, je vais voir si le peuple même, si le peuple de Kungel, de Kavrine, de Seyou, de Tambakouda va me recevoir, si le peuple de Jofio va me recevoir ou s'il va être hostile. Et quand je me présente avec ma voiture, les gosses viennent à l'entrée de la ville, ils me dirigent vers l'endroit où mes militants et mes sympathisants se sont regroupés pour me réserver un accueil chaleureux, je viens, je trouve un monde fou, alors que je suis venu uniquement pour le parrainage à Bantafassi, à Dougou. On m'a dit que vous êtes le premier à venir ici, parmi les candidats. Je crois que jusqu'à présent, aucun autre candidat n'a mis les pieds à Bandafasi donc ce qui s'est passé et je l'ai dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude nous les candidats nous avons accepté l'inacceptable. Dès lors qu'on parle de tirage au sort, on sort du domaine du rationnel. On sort du domaine du sérieux et de la rigueur. On est en plein dans la loterie. Tirage au sort. Mais c'est comme si les Sénégalais ne se rendent pas compte de cette idiotie le monde accepte d'être idiot. Y compris moi-même. Je n'aurais pas dû participer à cette élection. C'est comme si on nous a marabouté pour accepter d'être idiot. Personne n'a vu que nous allons vers une élection loterie nationale, une élection présidentielle loterie nationale. On, va élire un président sur la base de la loterie. ça risque de se produire. Des candidats sérieux, comme El Diop, ont été victimes des doublons. Est-ce qu'ils sont responsables de ces doublons Ce sont ceux-là qui ont parlé El Diop et qui ont parlé d'autres candidats qui sont responsables et qui sont punis par la loi. Comment pouvez-vous accepter cette grosse farce. Deux candidats ayant fait le tour du pays, ayant répondu à l'exigence de la loi, c'est-à-dire le dépôt de entre 6, 0,6 et 0,8%. Vous déposez 44 000, 55 000 comme nous, 55 000, 11 100 de plus. On nous dit, oui, finalement, vous avez 6 000 et quelques d'éléments qui ne sont pas connus, qui sont inconnus du fichier électoral. 8 521 doublons. Finalement, pourtant vous avez une marge de 11 100. 6 plus 8, 14, vous avez perdu 14 000 vous allez chercher 3000 et poussières. Nous revenons, nous déposons 8500 au lieu de 3000. On ne peut que remplacer le doublon et non les, éléments inconnus. Donc vous avez le droit de, déposer le, nombre égal au nombre de doublons, entre guillemets. Parce que moi, je ne vois pas de doublons. On peut l'inventer. Je n'en sais rien. On peut l'inventer pour vous éliminer. Vous dites, vous avez des doublons. Vous éliminez. Mais ça, c'est trop facile. alors qu'il est passé donc au premier tour, admis d'office. Et là, je dois chercher moins de 4 000. C'est vrai. Je dépose 8 500. On m'enlève 5 000. Par de 5 000 doublons. Il vous reste 3 500 sur les 8 500. Et je cherchais moins de 4 000. Au total, au total, voilà, total de, j'ai déposé au total 64 087 parrains. Total déposé 64 087. Il y a un problème ci le biir néegu sëy moo xam euh, kàttan bu néew la wala manqué man yu euh, seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.